dañuy trouver un moyen avec euh, nos compatriotes nous d'aller ci un lieu en communion nous ñëpp ñu seetaan match bi supporter nos lions qui méritent tout notre soutien vraiment euh, avant de parler du match je wax ci xale vraiment vraiment euh, ñu jàmbaare lañu ñu euh, voilà am jom lañu jëm nañ seen kéemtalaay kàttan depuis début tournoi ba légui ñing défal vraiment de très bons matchs tay malheureusement on a perdu football non la demee. On a été euh, confronté à une belle équipe de l'Angleterre aussi, euh, qui a été disciplinée et qui a joué un bon jeu, mais il a démérité nous, parce que jeunes lañu ont yu ndaw lañu euh, futur devant eux et avec l'accompagnement de l'État depuis une bonne période <clears throat> en, tout cas vraiment au plus haut niveau le président Macky Sall accompagne les jeunes accompagner l'équipe nationale ba à ce niveau de résultat je pense que bu ñu à continuer encadrer continuer à appeler, on peut euh, vraiment s'attendre à des résultats en tout cas meilleurs dans le futur. bon moi je pense que loolu n'est <laughs> ko bàyyi fédération bi moi euh, c'est juste euh, l'avis d'un Sénégalais voilà encourager ko bon et puis encourager équipe bi et en espérant que dans le futur nous def euh, des prestations yu mën éliminer des, grandes équipes comme l'Angleterre comme euh, d'autres équipes euh, de l'Europe et de l'Amérique latine. ndax bokk nga ci ñu naan absence Sadio Mané bokk na li tax ñu teel a ci ah, ah forcément Sadio Mané est une grande star xam nga Sadio bu nekkul ci équipe moom da ci impact c'est sûr mais y a yi wane nañ jom wane nañ ne que même sans Sadio aussi avons tout tout de leur mieux pour que nous euh, def une belle prestation représenter une équipe représenter ses couleurs. et c'est ce qui est important euh, maintenant on souhaite à Sadio Mané un propre établissement Moi, nous mu terrain football et puis euh, pour moi, pour personnellement mu suis aussi de très beaux résultats mais aussi éventuellement pour le Sénégal